La femme mariée, que veux-tu Mes yeux sont fermés au point que je ne vois personne que toi. Ton amour est un poison qui me détruit à petit feu. C'est toi l'antidote, tu le sais. Mais tu refuses d'accepter la, réalité. Je refuse parce que tu appartiens à quelqu'un. Je ne peux pas t'aimer parce que ton amour peut me détruire et détruire ma carrière. Je t'aime pas. Euh, je n'aimerai jamais une femme mariée.